de Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers collaborateurs de Monsieur le ministre, chers honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre je vous vous félicité bu département de Mbour qui nañu effort yi nga département mu fait depuis son excellence ñu jox Je remercie remercier aussi ci ñaari chambre yi nga de ne ko une maison d'arrêt correctionnel Bumbour. monsieur le ministre nous a quelques préoccupations par rapport à mag parce que euh, la capacité est de 325 détenus là, mais nous avons un surpeuplement pour ci mag monsieur le ministre nous avons rek nga le personnel de surveillance parce qu'actuellement, nous euh, ñu ngi 37 agents monsieur le ministre nous bi nga xamantene mom moy mooy détenu yi ci tribunal ba 14 places là. Et des fois le nombre dépasse largement euh, les 14 places de dañuy euh, ut euh, transport monsieur le ministre mur aussi nous réhabiliter en grosso modo aussi bëggoon le TGI de Mbour nga wax ñu liggéey bi et ak monsieur le ministre je vais réitérer son soutien gis nañu liggéey bi rafet na lool monsieur le ministre mais di wax rek monsieur le ministre laaj bi c'est normal député buñu ko falee faw mu taxawal goxam faw mu taxawal askanam te vous êtes là vraiment pour apporter des solutions par rapport à ces préoccupations des populations yi nga xam ne ñoom ñoo fi indi. monsieur le ministre euh, ma bëggoon aussi wax tuuti ci violence faite aux femmes monsieur le ministre tey jigéen ñi dañ leen di égorger dañu leen di violenter di leen brutaliser. tey bu ñu jëlee le cas de Fatmata Matar Ndiaye à Pikine Mariama Sagna Kër Massar Binta kamara Tamba Kumba Yadd Thiès saane jàmm Diamaguène bu mujj bi muy Khady Seye mi nga xamante ne ñu ngi ko faate woon fële ca Touba loolu nag monsieur le ministre dafa doy mais merci au chef de l'État bi nga xamante ne nii déglu na jigéen ñi xam seen i jafe-jafe ak seen i tawat mu ne dina indi tey loi bi nga xam ne ñun dañ ko sàkk ñun en tant que femme parlementaire ànd koog suñuy nawle jigéen pour la criminalisation du viol et de la pédophilie loolu monsieur le ministre bëgg naa ngeen indi ko mais ngeen def ko nag mu nekk urgence, parce que l'urgence est de droit si elle est demandée par son excellence le président donc y a une loi d'urgence urgence procédure d'urgence à l'Assemblée nationale je voudrais juste interpeller le président du groupe de la majorité mais surtout euh, le groupe libéral et démocrate je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui boo ñëwee ci Assemblée nationale da ñuy présenter rapporteur bi mokoy lire le rapport on doit parler du fond mais nous fi pour une personne on est là pour les populations mais yow dang fi parce que le président de la république vous a choisi pour nga diriger le ministère de la justice bula dara dara dara dara la et vous avez tout notre soutien le groupe de la majorité va voter votre projet de budget